4 en table main. 3, 2, 1, 0. Teni teni tenda do tene saro tene kambe kanga bor sote kala bor mahe din kurnye bere ni nyawo din kurnye kene ni nyawo bumbo sambu sambu sinda difficulté de la mode et quel rapport du secteur avec la technologie c'est de cela qu'il s'agit Très chers amis, dans tous à la FADA, hier, les discussions ont porté sur les avancées et la place des jeunes dans cet univers. Ce soir, on continue avec les difficultés liées au secteur de la mode et le rapport mode-technologie. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons donc la bienvenue sur votre émission hebdomadaire consacrée à cette jeunesse, cette jeunesse nigérienne connectée un peu partout au Niger. Vous avez également, ok d'accord, des questions de Ducaire, de la chronique euh, en bon conseil, enfin fin donc d'émission. donc euh, Agadez, Difa, Dosso, Tawa, Maradi, Kolo, Torodi, Sai, Niamey. Tout le Niger est scotché, alors je parle à travers donc nos 38 radios partenaires. Vous êtes donc avec le studio Kalangou. Vous allez bien, monsieur Je vais bien, vous. Vous êtes en forme Ouais, cool. Alors, euh, on t'appelle euh, Touré Bayan. Touré Bayan, ça va Tu vas bien Oui, je vais bien. Tu gères tout ce qu'il y a comme technologie à la FNAP Ouais. FNAP, c'est. From Niger Prod, une structure euh, créée par trois jeunes gens qui, qui, fait des créations avec des pains nigériens. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Oh, je suis aussi avec une dame, ok Adamou Rama Toulaye, c'est ça oui, c'est ça, euh, vous, êtes, êtes, vous êtes spécialiste en abaya et pagne oui. Expliquez-moi ce que c'est abaya et pagne. Les abaya, c'est un peu, si vous voulez, des kimonos. Kimono Des kimonos avec des pagnes incorporées. Plus des pagnes traditionnels nigériens, du genre tera tera, saitangara, voilà. Saitangara Oui, saitangara, tera Mais tera. Son, son des mais iba abaya wo alborey du alborey no gadan wal le na. Ah, alborey dey. bag fama des kan dey tunni nim taysen kuna. Mm. Ni sing ni sing écoutez. parce que idon tese sai tangara mun no enda aste sino dabar ni bar dabar ni bar waramo bani ko ba ni di wala ngo deja à d'abord Ogote Morado Je suis aussi avec Lawali Isaka qui dit mode parle aussi certainement de couturier. Maintenant Galbara. Gamdeno bano deno. Euh maintenant modo arang bekan ir kante M6 buna hay kul dara nor si kalbaji kala eh américain et t-shirt kala nous femme de MC MC Terad modo aran si gudu masala tayango do aran ah masal kulno sino se ifo mm. bankare kan dumo dai mca gadan mm. aran gingidu mote gingidu mote ira zare bon kan gabo da ba wakan wodi se nigine mod oh. sangayim t-shirt sambu oh. americain wo t-shirt oh. nigin gizar da kai sabon ma bare se mat ka himanda kan zanin da bede kan niger no sang t-shirt ra irgin gudu mat kan cina eh, ramatullahi ni cida irgin gudu sai tangara t-shirt ra mun norma te sai tangara yan ga son boro gita abaya numo wo boro senongita olal borse akula akul senongita to sanno bamme Alors on va commencer par parler de vos difficultés dans ce domaine en tant que jeune acteur. Je commencerai par, la, par la, femme. On était avec Rabi hier. Elle avait parlé de la mode. Dites-moi, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le secteur de Abaya, en Pagne D'accord. Euh, la première difficulté, je dirais que les Abaya, c'est vrai, maintenant, on, remarque que plus en plus de femmes portent les abayas mais ils ont du mal avec les abayas qui sont faits ici. Ils ont plus tendance à aller acheter les abayas ailleurs. Parce qu'on a cette idée-là que ce qui vient du Niger n'est pas. C'est pas, de la, pas de la qualité. C'est ce qu'ils pensent. Tout ce qui est Niger, euh, ils pensent que c'est merdique en termes clairs, en termes fada. Ok, ok. zanga bora ga fatta ko koy ga haifo dai oh. ban kenz miliyan ga ka o oh, me zaine ya irno go ga te funa fun ga te funa fun inga ne ya noro se ba to tarai wan noro igine a wane mo mante kawai manti manti wallahi nem do no samuni se akwai masala wallahi akwai masala ah ah akwai masala wallahi akwai masala donc wani wo problem sintinano problem hinkanta ifono problem hinkanta ga ti oh. borai borai sir ga buri zanga son Niger haibo ba no gona kan igo me kan zanga to parce que irgonde fna borfomo kan publicité tenise amma hay rendre visible à travers donc des publications à l'instant elle parlait de difficultés elle n'est pas tout à fait connue alors dis-moi l'effort que tu es en train de fournir pour euh, qu'elle soit connue c'est évident. Donc, euh, ce que j'essaie, ce qu'on essaie de faire avec euh, FNAP pour mhm. être connu, mhm. c'est par le biais des réseaux sociaux. Aujourd'hui, euh, une entreprise ou bien une structure qui n'a pas des pages sur des réseaux comme Facebook, Twitter, mhm. excusez-moi, mais ça ne va pas. Ce C'est pas encore ça. Donc, c'est un canal qui est important pour communiquer avec le reste du monde. Tu ne dois pas te dire que tu as, une entreprise, tu as une structure, c'est bien, c'est bien beau tout cela, mais bon, tout le monde est chargé aujourd'hui, tout le monde est occupé. Donc, euh, combien de personnes vont, vont, quitter leur travail et tout pour venir tout d'abord voir ce que tu fais et tout. Donc, l'Internet, les réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen pour communiquer, pour faire la promotion de, de ce que tu fais, de ce que tu crées. Donc chez nous, on se base plutôt sur les réseaux sociaux. réseaux sociaux pour, euh, faire connaître Facebook. WhatsApp, faire connaître vos, produits. Voilà, exactement. Mais vous écoutez la radio Oui, on écoute la radio aussi, c'est important. Faut qu'on dise une vérité. Bon, mhm. vous, vous êtes les premières personnes, mais quand une radio, quand vous êtes une jeune structure, vous êtes des jeunes gens, ils ont tendance à dire, voilà, c'est de la merde, c'est du jeune, on va en tirer quoi et tout. Donc les radios, excusez-moi, mais c'est une vérité. Les radios, ils n'offrent pas tellement la possibilité aux jeunes entrepreneur de, de, de, se faire connaître. Donc, du coup, c'est une question voilà. d'oseille, quoi, bata. Voilà, Quand tu n'as pas de thune, tu n'as pas cette possibilité voilà, d'aller à pas de Mais si sur le réseau social, tu mets tes méga tu... tes 1000 francs pour une semaine, tu as la possibilité de faire ta publicité au calme pendant une semaine. Voilà. Ok, d'accord. Alors, mon ami, alors on va parler donc de tes difficultés maintenant, tout de suite. Ok, toi. mati. Mkuna, hmm. haikul hmm. kan nugogati. Il faut qu'il me baye hayaga gina ga bore ma kiki in baya ga amkani sai ga ima sanjar il faut communiquer matkan de eh, boroni ci dal okay merci mm. e communication wo monig be harno kanga cha du gumu ak cha ba hina ko sai manti wai debutant wali min nin kan wanda ni atelier kai na windira wala quartier quartiera kanga himanda ya dinga son mo mm. ni problème sintina hmm. sanga matkan cina isaran bay isaran bay oh, ga bori oh, oh. et que vous n'avez pas les moyens pour communiquer pour que il aran bai pour que aran pour produit imposé an ga numa wani goni problème era heni no kam jeune kul wonno o kul kan ka goro nigine dinna ha aga sanno salni se bayan ga jeunes surtout dit les jeunes entrepreneurs mm. du furo que ça soit euh, styliste no modéliste no commerçant no peintre no il a du oh. mal à se faire connaître parce qu'il peut ne pas avoir les moyens kanginga pour... Euh, okay. produit hôtel là koyne harno kan dede borduwa bayan ga nig fatta zama hunkuna nigin ga har talla hunkuna mhm. réseaux sociaux bo mhm. kan ti wala radio wal télé nigo newon yamai mhm. bo fo kan go agres maji am kana si amin contacto sambu direct amin ke id ni publicité fo bo yawo yawo ni gonda yawo yawo you know ai numéro ni asambai sai kan gon sai nigin ga samba sai direct adam da mai changer din gonda hayyan kan ni bayga te wal kan ni bayga ner bo fo se amma akani nin da fa kare wala haifon kan hima ni ga san ba se ame ga encourager oh. ni te ni bon Donc la question de visibilité là c'est une condition la condition elle est là et elle est sine qua non sanga jaro do ku kano il faut kimin ba hanigin jinane to woni banda no est-ce qu'il y a problème fon kan go rencontrer no go yora goyo wala bon problem bo bono gono to irmi katre problem gono parce que problème ma kuna kundi samu kam goy mm. tal kai zo wono bayan ga ya ni go ya go mira ah bayan ga ya di aya aine bayan ga ah ya ga exception gono aha wala ai go man se kuna kambu te kul nu ni gibe me go fada ni fada zai bai ai ko fada ko fada kai nul goy goyte parce que kar freji bongo ba sina kambu kambu goyo o ga tal kai zo talkai zai moni bai kan babu rasintin goyo hunkuna a singa morgu ga morgu ga morgu morgu ibo buga to nan ka gin ga haidin dumo tenga bon si har yanno kan ga doru zani sintin ga goyin kuna za eh, sanni alboro an example zani sintin go a 25 ans nigla saba ai ga bai mita ai ga bai listenska ni bongo wala listenska zam zam sin tingo ni banum de poporo de popora banda ni gondu wondi ni banum koni sucre me hora ni banum hiji ni hiji mo kimso para ra ni banum imposer kadina just fonte bon jet et puis wodi bandumo eh, puis bazga ni ah. hiji akafu kimsi sintinal fo kenim fejo samba donc ah. ni sfongu hay char hay kindiga o mi eh, ni mbu mbora ah. na gabay me alors ce qu'on va faire eh. hmm nous marquons une pause musicale avec cette chanson de la formation Soga. Vous connaissez la chanson Fima de Soga. Bien sûr. Tu peux me chanter un peu Soga, Fima de Soga Fima Tanakira. On tape la main. Tanakira. Fima. Fima. Fima. c'était donc euh, la formation Soga. Soga qui a chanté donc euh, Fima. Très belle chanson. De retour au plateau. Et je vous rappelle que nous sommes à la foire Arienne. Nous sommes au palais du 29 juillet. La semaine passée, on en a parlé de la conférence nationale souveraine. Cette conférence qui porte donc, qui avait réuni dans le temps toutes les forces vives de la nation. Ce palais du 29 juillet qui porte le nom ou la date en question de l'ouverture de la conférence nationale souveraine. Nous avons donc une question euh, d'auditeur. Avec tout ce, nombre pléthorique de jeunes de stylistes, pourquoi jusqu'à présent on continue à consommer ailleurs, pour ne pas dire extérieur, alors qu'on a notre propre panier, on a des stylistes. Pourquoi ne pas faire notre propre création avec nos marques de qu'on en ces cas, ça c'est nigérien, fait de notre mieux et on fait du mal du Niger. On que fait, du mal du Niger On fait que du mal du Niger. Donc c'est vous, vous, vous, vous, leur euh, vous renvoyez l'ascenseur comme on dit Exactement, on attend que eux, on fait que du mal du Niger. Voilà, on a même adapté certains articles aux jeunes gens. parce qu'ils peuvent dire que c'est du pain, c'est porté que par euh, un certain, une certaine tranche d'âge et tout mais on a même adapté, on fait des t-shirts, on a même un logo. Il mhm. parlait de logo. Dès qu'on voit ça, on, peut se dire que c'est pour le Niger. Il y a même un logo. Et, dès qu'on voit, ça frappe à lui On, voit, déjà les couleurs nationales. Exact. Il boda ne se nega bayme nimbumboda nega bayme <laughs> kimi no san nodi alors sonda ne hangana sanka ana il faut se no aran se aran création aran oh. niger aran da niger to igi bani monum to ase ala aran war no aran gote te wol mo bin mato gote. bon wadi wa n'o kan irwo ga bisaga bisa niger wono <laughs> niger wono oh. irwo irwono ti irmati yan ga soni ngine irwana no irwono irwana no to irgu wana irgu gati mm. me ifoti ti matsala kan gono mm. isiga kaga kekinu oh. singa kaga kikino oh, donc kan ga to a kyora kan mm. question wa mm. auditeur mm. numaya anenge mm. o nigero mm. wana hinne no ngai goti aran deno sika an garam ah. sai kul gine sigita ane olange on aran deno sika n'oubliez pas de vous abonner à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 54 aineha aram sidirgan aram sambu jeune ahaku kurkuto kurkuto iddu Ahaku, Ahaku, Igu, Itachi. Nous poursuivons ce débat avec euh, cette fois la place de la technologie dans la promotion des jeunes stylistes. La technologie peut apporter tellement, tellement à la mode. Euh, je vais rester dans le domaine du côté des réseaux sociaux. Je ne vais mhm. pas trop m'aventurer sur les, écrans du hypothèses. La technologie aussi. Voilà. La technologie déjà, quand on se base sur les réseaux sociaux, je l'avais dit au début, une structure ou bien un styliste, mhm. styliste mhm. qui n'a pas on dit qu'il n'a pas une page euh, sur les réseaux sociaux où il communique, ça ne va pas. Avant, pour le faire, c'est donc euh, pas facile, mais là, tranquillement, dans ton lit. Tu, fais, tu as tes méga. Tu on se plaint, t'adresses à tout le monde entier. on, se plaint, on se plaint du fait que quand on est jeune entrepreneur, l'accès aux radios, aux télé n'est pas évident. Frère, achète un crédit de 200, vas-y, crée ta page, essaie de, suivre des formations en ligne. Il y a plusieurs formations en ligne sur comment gérer ta page, pour comment faire pour que ta page soit productive, tu mets cela en place. Le fait déjà de dire active ton forfait de 200, là, <laughs> je sens que tu gênes quoi. 200, ça peut te donner combien de mégaoctets 75. Ouais, 75 mégaoctets. Tu utilises Move, déjà, avec 200, déjà avec 200 francs. Donc, ça, c'est les merveilles de la technologie. Avec 200 francs, tu peux t'adresser au monde entier. Voilà. C'est ce qui nous permet de, de, nous faire connaître à l'étranger et tout. Tu vois Ok. Achora. Eh, technologie oh, o ah. il faut no tana fama il faut no tana ngu est ce que agondo nongu ankan arangotera est ce que no atelier ara no ngi photo on sambu no lam sambu fam agonda gumu amma ir société awra mm. ah haidin hal hun kuna bore kan go goidei isiba gumu isiba kundin sambo kan gonda smartphone ir euh, population wora kai no fonu bore kan sinda bagumu ga bisa bore kan gonda mm. ya dinne ni message passé c'est vrai aga kata dogone mais ti ya din woni irwo dogona kan dumo gingina ti a parman woni siba kalim ne radio ni tele ga handan banza kam a <laughs> ti kala banza man ti kal banza aga nan wuno kan nan wuno kan bore bayan kulga goidai <laughs> oh. ne mu hare ni ga bai din bo hun kuna smartphone aga ne ta banin sinda

Bien sûr, c'est une alternative. Le e-commerce est en expansion, en évolution, on ne peut pas le, négliger, c'est vraiment important. Ma très chère sœur, oui, mon frère. personnellement, comment vous utilisez les nouvelles techniques Vous vendez en ligne Oui. Dites-moi comment est-ce que ça se passe. Ou bien on laisse le technicien, le spécialiste s'en charger. Moi, je peux voir un produit en ligne. Tu peux mettre, tu peux mettre en ligne. Tu vas euh, sur notre page, tu vois nos produits, tu vois les prix, tu commandes, on vient te livrer acora est ce que aro internet bon arang nere wala internet bon bore gin commande commande te aiwo indi cara gamara musigan bo asman turu buru sanin ni fam aiwo ah, ai ga ni katai sai ai mu On non si c'est ligne ligne sen ah on si nera no nga ay gital la ligne bo madi han kay gete maka ta aimten si adumo hmm. me aimte ga gisi maka amadai wadu pour le mo ay sinda hina nga mu niveau phone kan ni to ga avec le temps yanga niveau niveau non. Ah, niveau niveau non eh, Pas animateur et niveau, niveau. Animateur et niveau niveau non <laughs> alors maintenant j'imagine que les inconvénients euh, <laughs> il y en a sûrement parlons de ces inconvénients euh, les inconvénients entre le rapport technologie et mode hmm. bon moi ou bien tout est clean non quand tu penses que tout est pas clean, tu, tu, penses que tout est clean tout est clean tout n'est pas clean mais je dirais rapport rapport bénéfice risque les, bénéfices l'emportent. En fait, donc voilà, dans toute chose, il y a, un inconvénient, mais il faut, il faut... En matière de technologie inconvénient, technologie mode. Bon, il y a les gens qui vont, y les gens qui vont dire en fait que tu vois un truc en ligne, tu commandes, mais quand tu te fais livrer, c'est pas, c'est pas ça en fait donc du coup, je peux voir euh, la tenue euh, à travers la photo. Déjà, une tenue photoshopée, euh, le pan photoshopé, abaya photoshopé. Du coup, le mec... ne sont pas photoshopés. Ah non, je sais pas, en fait. bon, en fait, pour, pour, pour, répondre à ça, en fait, pour éradiquer ça, nous, ce que nous faisons, c'est que lorsque nous, lorsque nous avons une commande en ligne, nous allons livrer à la personne mhm. et la personne essaye. Si ça ne lui va pas, on lui fait des modifications ou on prend. C'est satisfait ou remboursé. <laughs> Alors, pardon, partant ces propos, euh, quand je dis propos, je commande en ligne. Est-ce que vous avez une fois rencontré ce problème Quelqu'un qui vient, euh, qui commande, il voit, euh, on dit le abaya ou bien la abaya Le, je la pense. Abaya. à la fin tout permis. le, le, ou la abaya, mm. en pagne, mm. il l'a commandé. Mm-hmm. Elle l'a commandé. Elle l'a commandé. Est-ce que toi, tu as une fois rencontré un problème Non, non. Pas, de personne pas satisfaite en tout cas. Juste voilà, j'ai rencontré des gens qui avaient des difficultés au niveau des mesures. Ils me disaient soit les bras sont trop grands, soit la robe est trop large. Voilà, je modifiais, je les ramenais. Mais pas de personnes qui disaient que ce qu'ils avaient vu en ligne n'est pas conforme à ce qu'on leur a livré. Non, non, pas du tout. Super. Il nous a un inconvénient à ce ce qui veut dire que eh, modo, ganda technologie, inconvénient. masal fono non godi ne bay gudu wal masal fono borgi ngudu fondo wone wara bon kayangon bone man fam sangjara moddo de technologie sangjara nin nin nin nin dam nin fote sambu ni chebe nin atelier nin nin nin nin modo bora sambu <laughs> bora sambu aywa modelo oh, ah, internet ba kanda nse oh ah, mas est ce que masal fonu manu borgi ngudu wone wone wo ah, wadi igin ngudu masala bobo di katin photo kan ni télécharger wala photo kan ni sambu masala bobo gono kan borgi ngudu wadi mbo sangay way koy di koy usharga oh. usharno tudon ko oh. do d'amerique kullun photo samni makatai sen amne sen ma karkal ushar wana aduma zama mashine man tafo ti se man tafo koy na man tiba wadin mm. kambo goyo gonda haifu mm. an kan kambute da an kan mashin man ti ba waje ni kan oh, kambano gite ba wa kan mashino te kambano <laughs> te men bai da no ame kula fo me ifo ti fayin ka o me ni be goy goy wo goy dum dum no son di katatayen sanni mm. son ne o id kul gota no me tayen man tafo yo can bar wani cari man kan manti ba wadi no gurubu manti ba wadi manti ba wadi <laughs> manti ba dangan jire hinne ti tayan me oh, haye ga bagu mu eh. so ni gini ka tai sai haifo kan ha ai uh-huh. faham daga bodi eh. ai mo gaba ni ai faham oh mais ai gini ga teni sai imdu matsal wasu gengo matsal si gengo alors eh, nous sommes jeunes en principe et notre source d'inspiration c'est la musique à l'instant, on avait écouté la musique euh, euh, parlant donc du thème, la mode. Parce que vous connaissez tous le film. On avait parlé de Soga tout à l'heure, vous vous rappelez Alors on va cette fois-ci faire danser nos amis auditeurs, auditrices. Mm. Et j'ai envie aussi de vous faire danser cette émission. Vous connaissez Aya Nakamura Bien sûr tu aimes. Alors le gars, il, il, il aime. Non, c'est pas. Tu Non, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes, sur Aya Son vocabulaire, en fait. Son vocabulaire, non, non, pas à moi. Non, non, il y a quelque chose que tu kiffes, Aya Tu me dis pas. Non, c'est son vocabulaire. Non, pas à moi, s'il te plaît. chuchote ma Bon, je te le dis après, après, après. Non, dis chuchote. hors coulisses, en coulisses, en en fait. Vas-y, vas-y, pas. Bah, pourquoi tu Tu connais euh, Pouki Bien sûr. On va t'applaudir et tu vas faire le truc, s'il te plaît. On y va Ça va pas le faire, en fait. Ça va le faire. Ah, dans le dans <laughs> ah, le il y a le cookie dans le dans le Bébé million. Bébé, bébé, bébé million. Non, bébé veut du sale. Allo, allo, allo. Million dollars. Bébé, tu veux du sale. Bah. Allô, allô, allô. Million dollars. Bébé Voilà, tu vas ah. <laughs> l'emmener là, il a peu c'est ça aussi la fada, je vous dis. Hey, eh, DJ, s'il te plaît, fais plaisir à, à nos, nos, invités, à la famille euh, euh, qui écoute cette émission. Balance-moi la sauce. Toi, t'es bon qu'à planer. Ouais, je sens ta sème, j'ai l'avocat. Entre nous, y'a un fossé. Toi, t'es bon qu'à faire la mala. Bébé, bébé du sale. Allo, allo, allo. Million de dollars, bébé, tu veux ça. Bébé, fais du sale. Allo, allo. pouki. Ferme la porte à la pouki dans le sas. Bla bla bla la pouki. Ferme la porte à la pouki dans le sas. Pouki, pou, pou, pouki. Ferme la porte à la pouki dans le sas. Pouki, pouki, pouki. Ferme la porte à la pouki dans le sas. Un de nos auditeurs a une recommandation à vous faire. On va donc devoir l'écouter. Il faut faire des créations sur nos pagnes pour faire porter ça à nos leaders au cours des grandes cérémonies. Il ne faut pas que nos leaders s'habillent en veste, en basé. Il faut mettre en valeur nos pagnes traditionnels. Il faut bien faire travailler nos pagnes. Et puis ça donne aussi de la valeur à la personne qui l'a porté. Et puis ça fait ressortir aussi le nom de notre pays. Vraiment, ça, c'est des recommandations que j'ai à faire à l'endroit de nos stylistes. Merci parfois, quand on commande, on n'est pas sûr de, les avoir. Parfois, euh, on dit oui, c'est disponible parce qu'on a vu la photo, on se dit oui, c'est disponible. Au moment où on est venu, non, ça ne l'est pas. Ça, décourage un peu le client. Et moi, je pense qu'il faut qu'elles aient un peu plus de rigueur. Et puis, de toute façon, elles s'imposent sur le marché. Et euh, je ne peux dire qu'on est fier d'elles en tant que Nigérienne. Vous l'avez certainement écouté avec intérêt. Partons ici au Burkina. Thomas Sankara, dans son temps, dans son règne, il exigeait le port de la tenue traditionnelle tous les fonctionnaires. Même le président actuel aussi, aux réunions, il est là avec leur panne. alors, c'est rare de le voir avec une veste. Oh, qu'est-ce qu'il faut faire pour amener donc tous les leaders tous les leaders à, non, en fait, le moi je... Euh, à, à tout ça. Cette, recommandation, je me, ces genres de recommandations-là me font me, poser la question, hmm. savoir les gens sont où Les gens sont où Parce que nous, on travaille que le pain traditionnel. Sa recommandation, un peu, elle, non, genre, elle veut que, elle veut, elle veut vous, que elle veut vous amener à amener, c'est la à tout est permis, oui. à amener les leaders à porter. Donc, les utiliser leaders. tous les moyens pour amener ces leaders à porter le panier. Salam. Salam. Il faut notre problème, matsala kan gonu. Matsala man ti stili sai wannan. Stili sai ngo imtenu. Me danyen wo menu himgati. Borgeri. Bo kul gondinga goyo ka himgati.

Zani fada ni gina do ndu ah porter kanga je dois porter ce que vous nin ni dan un foulard au kaima gisi oh, porter ces armes nin sinia agora me est en gono si agora tu me c'est essayer da hardcore ba gono mantiza manti hayo ba tu sho kongu bai ainka ni ko kongu bai ainka gono gono short non la bien tout à l'heure

imka imadan ima dan shikenan im wa kan idan london wala uh, paris wala new york da haifon kan ma or igi hinga modelo din sambu imi mesure sambu ima design sambu ima saitangara coupe adumo ima fam nigerian habillé da hayadin matka wallahi no nigla la za fata mata no sonu di deja da fata oh nigerian no fata nigerian bano dairu ah, amma amma musugu nongu fara bo ah. izu futu ah. <laughs> mon ami. <laughs> non, mais sérieux, tu es le président d'un pays, c'est. Quand tu es le président d'un pays, tu es l'ambassadeur de ce pays. Tu représentes ce pays à l'extérieur. Quand tu es un député à l'Assemblée, tu représentes tout euh, aussi, tu euh, travailles pour le peuple. Voilà, tu, représentes le peuple. Quand, tu es animateur aussi. Voilà. Merci. voilà euh, donc on peut dire que la balle elle est dans le camp des leaders, des influenceurs les leaders politiques. Quand tu approches un influenceur, il va te dire voilà, il faut que tu me payes tout. Bon, c'est vrai, tu es influenceur, mais des fois, il faut aider ton pays à se faire voir. C'est la meilleure manière de soutenir au fait. Mon ami Olivier, cette fois-ci, tu es jeune, non Il y a un autre jeune qui, que je considère comme paparazzi euh, du net. Il est Facebooker, il est comme toi. Il pécho. Tout ce qui fait le buzz. Alors, Mr. Olivier. Mr. Dandy. Je te souhaite la bienvenue sur ton beaucoup, émission. Mon frère. la fada. Bonsoir à tous. Ce soir, dans la chronique, je me permets de vous présenter le meilleur condensé de l'actualité du mois de juillet. Ici, au Niger, juillet 2019 restera gravé dans notre mémoire. D'abord, nous avons organisé le sommet de l'Union africaine et l'accord de zone de libre-échange économique de l'Afrique a été signé, ce qui fait de Niamey le berceau de la ZLECA. La tenue de ces deux rencontres a été un franc succès, tant du point de vue du nombre inégalé de chefs d'État et de gouvernement ayant fait le déplacement de Niamey que de la qualité de l'organisation et de l'hospitalité. Rendons grâce à Dieu vous avez certainement reconnu la voix, mais de l'autre côté, ce n'est pas du tout le sentiment. Niami a changé de visage. C'est vraiment un honneur et une véritable chance pour le Niger. C'est bien. Mais en tant que jeune, je suis déçue. Il y a ceux qui ont pris la parole pour parler au nom de la jeunesse. Mais est-ce que l'occasion a été donnée aux jeunes devant ces chefs d'État-là pour dire voici nos problèmes, voici nos attentes pour pouvoir aussi contribuer au développement de notre chère Afrique Personnellement, je n'ai pas vu d'inconvénient. On a fait beaucoup de bénéfices. Moi, je suis un vendeur de lait. Les jours de l'ouverture du sommet, j'ai vendu toute ma marchandise. Voilà, mes amis, outre le sommet de l'Union africaine, il y a eu plusieurs événements en parallèle qui ont généré des flux économiques aussi. L'actualité de ce mois qui vient d'achever est aussi marquée par le lancement de la campagne Tabaski Écolo. À l'occasion de cette fête de Tabaski, des tonnes et des tonnes de bois sont utilisées pour juste euh, la cuisson des moutons. Donc c'est pourquoi nous amenons les citoyens à comprendre les impacts de cette action sur l'environnement. La première alternative, c'est l'utilisation du charbon minéral parce que le charbon minéral, nous en avons en grande quantité et nous exploitons ça et c'est encore moins cher pour la cuisson. Nous préférons que les femmes utilisent non seulement le gaz ou bien le four à balles dont la source d'énergie est la Ballerie. Alors pour finir, cher ami, je vous quitte avec cette nouvelle tuerie dans le rap game nigérien de Barakina. Il dit Itaro Itarome Waigoko Kanazi. Voilà Kavan, ce sont des paparazzi. loro ma loro si vanno papi gata e ne mami gata ama bata si ban. si van a si van a loro si van mm. Allez, Noro de Barakina est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. On se retrouve le mois prochain avec beaucoup d'énergie pour une nouvelle compilation. D'ici là, portez-vous bien, soyez sages et bon début de semaine. Merci, Mr. Olivier. Euh, je rappelle que nous sommes avec euh, une de mes soeurs qui a aussi est quand même beaucoup assuré, Adam Ramtoulaye. Mon frère, tu vas aussi certainement euh, dire au revoir en, en, rappelant nos amis auditeurs auditrices qui tu mon ami j'ai fini avec toi Touré de la structure FNAP Merci en tout cas à vous. Merci d'être sur cette émission. J'ai passé de très bons moments avec vous. Alors ce qu'on va faire, on va se prendre très très prochainement. C'était donc euh, votre émission hebdomadaire consacrée à la jeunesse nigérienne, tous ceux à la FADA. Sur ces machines. and Amen Tolkien. Hey. Essa